temps. Il est l'heure. On tourne Pour 2024. Bonne année à toutes et à tous. E Toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2024. Chères auditrices et auditeurs, bonjour à vous. Il vient d'être 11h et c'est l'heure de notre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Ali Moukela alias Seno et à mes côtés Mariam Adé. L'édition est assurée par Adam Adawaki et à la technique, nous avons ce matin seni Isaka. Mariam, bonjour. Bonjour nous. Alors, comment allons-nous accompagner les auditeurs aujourd'hui Nous débutons avec le flash d'information et aujourd'hui, nous recevons M. Bala Zamo Shamsoudine. Il est le chargé euh, de programme et projet de l'ONG Reprodev Niger. Réseau Progrès et Développement Humanitaire au Niger. Avec lui, nous parlerons du respect des droits humains au Niger. Nous irons en région aujourd'hui, plus précisément à Yumi, région de Difa, pour parler d'une plante qu'on appelle Kusulu. C'est le sujet de notre écho de région. Et oui, nous parlerons justice dans la rubrique hebdomadaire de ce lundi Interviendrons après le loti euh, préparé par euh, l'équipe femme du studio Kalangu. La page sport sera au rendez-vous et de la bonne musique nigérienne. Nous allons boucler cette édition avec les messages vocaux de nos auditeurs prêts pour le décollage. Alors c'est parti. No. on débute cette émission avec le flash d'informations présenté par Nafissa Sirfo. Bonjour Nafissa. Bonjour Mariam. Bonjour Seno. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'informations. Les pays membres de l'Alliance des États du Sahel que sont le Burkina Faso, le Niger et le Mali ont décidé dimanche 28 janvier de quitter la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à CEDEAO. Annonce faite à travers un communiqué conjoint publié simultanément dans les trois pays. Il ressort du communiqué qu'après 49 d'existence, les vaillants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. Et dans un communiqué publié toujours ce dimanche 28 janvier, la commission de la CDAO a affirmé que le Burkina Faso, le Mali et le Niger restent des pays membres importants de l'institution communautaire. Selon le communiqué, je cite, l'attention de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a été attirée par un communiqué diffusé sur les télévisions nationales des trois pays annonçant la décision de ces trois pays de se retirer de la CDAO tout en soulignant n'avoir pas encore reçu la notification de cette décision de l'AES. Elle s'est alors déclarée déterminée à trouver une solution négociée à l'impasse politique dans les trois pays de l'Alliance des États du Sahel. Al-Mustafa Efred Mouloud est élu nouveau secrétaire général du comité directeur de l'Union des scolaires du Niger. C'est à l'issue du 14e congrès tenu ce week-end à Niamey. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Et pour terminer avec une note nécrologique, le chef de canton de Kokourou, région de Tilaberi, l'honorable Bokari Bonta, est décédé ce samedi 27 janvier 2024. Il était une figure emblématique de l'histoire du Songhai. Il a su régner avec bravoure et héroïsme et n'a jamais cédé devant qui que ce soit. Il a résisté de, devant plusieurs envahisseurs, les colons, les faux politiciens et même les terroristes. Il nous a donc quitté ce jour 27, ce samedi 27 janvier à plus de 100 ans d'existence. C'est la fin de ce flash d'information. Paix à son âme. Merci infiniment, Nefisa euh, Nefissa, pour euh, toutes ces informations. Chers auditeurs, comme annoncé à début, en début d'émission, nous sommes avec euh, notre invité du jour. Il s'agit de monsieur Bala Zamo Chamsoudine, Il est le chargé de programme et projets euh, de l'ONG Reprodev Niger. Bonjour Chamsoudine Bonjour. Merci de nous honorer de votre présence dans cette émission. Avec vous, euh, nos échanges porteront sur le respect des droits humains au Niger. Mais avant de commencer les discussions avec notre invité du jour, on va d'abord kiffer les sons On s'en fout des moustiques on s'en fout. façon dans la vie. Tout ce que tu fais en critique, l'intendo. On m'avait dit moustine, La vie est belle, j'ai dit ça dépend des jours. On veut kiffer la vie, la vie. de champagne à minuit. Des amis, je me méfie. C'est eux qui deviennent des ennemis. Du coup, on fait les choses comme on peut. Comme on peut. Je mets ma famille à l'aise comme je peux vie, je la kiffe, ma vie. C'est pas ta vie, ta vie, je m'en fiche, ta vie. C'est pas ma vie. pour t'es jaloux. De toi, on s'en fout. D'un bas, du bloc, on fait des sous. De toi, on s'en fout. T'es pas mon souci, non, non, non, non, t'es pas mon souci. T'es pas mon souci, non, non, non, non, t'es pas mon souci. T'es belle d'en haut, t'approches pas sinon tu vois tous les défauts. La cité dans les veines, les genoux bien placés si tu parles trop. Ah, c'est Dieu qui donne, ne sois pas jaloux, c'est Dieu qui donne. Oh. Ah, c'est Dieu qui donne, le talent, la beauté, c'est Dieu qui donne. Oh. Eh, du coup, on fait les choses comme on peut. Comme on peut, comme on peut. Je mets ma famille à l'aise comme je peux. Comme je peux, comme je peux. Ma vie je la kiffe ma vie. C'est pas ta vie, ta vie, je m'en fiche ta vie. C'est pas ma vie. Pour des jaloux, jaloux. De on s'en fout. D'en bas du bloc on fait des sous. De on s'en fout. Moustine de son vrai nom Mustafa Djaji Ousmane est un jeune rappeur né le 1er juillet 1990 à Niamey. C'est à Zender qu'il a fait son lycée avant de se rendre à Bamako pour son cursus universitaire. Dans ce pays qu'il a matérialisé l'un de ses rêves d'enfant, chanter et rapper. s'en du bloc on fait des s'en fout. oui, voilà, cher auditeur, euh, c'était là le titre On s'en fout de l'artiste Moustine. À présent, on se tourne vers notre invité du jour, euh, Monsieur Shamsoudine. Rebonjour. Bonjour. Alors, euh, pour commencer, présentez-nous brièvement Reprodev Niger. Oui, merci beaucoup, M. Monsieur pour la parole donnée. Donc, Reprodev Niger, c'est le réseau Progrès et Développement Humanitaire du Niger. Mhm. Et Reprodev est créé depuis 2011 au Niger il intervient dans le domaine de la promotion et de la protection des droits humains. Hmm. Et, aussi à savoir la démocratie et la bonne gouvernance. Le ProDev amène euh, plusieurs activités à l'endroit de la population et à l'endroit des acteurs clés donc, hmm. euh, du Niger. D'accord. Alors, euh, comment l'organisation travaille-t-elle hein, euh, en partenariat avec d'autres acteurs locaux pour promouvoir le droit humain dans la région Merci. Euh, pour promouvoir avec les, les, partenaires, avec les acteurs locaux, RepoDev en tout cas, travaille en collaboration parfaite avec les acteurs locaux quand nous prenons, par exemple, dans la région de Telaberi, mmh. Reprodev Niger a, mené plusieurs activités de sensibilisation et de plaidoyer au niveau de ses acteurs locaux. Hmm. Et à l'instar même euh, en 2023, le novembre passé, Reprodev Niger, en collaboration avec euh, la commune urbaine de Telaberi, hmm. a organisé un atelier des sensibilisations des acteurs ou des élus locaux même de élaborés sur euh, la participation des femmes à la prise de décision mhm. au niveau local et national, l'accès à la terre et la promotion des droits économiques, sociaux et culturels. Mhm. Alors, euh, quels sont les défis spécifiques liés au respect des droits humains auxquels le Niger est confronté et comment Reprodev va contribuer à les relever Oui, et s'agissant des défis spécifiques euh, que le Niger rencontre concernant les droits humains, donc vous le savez, aujourd'hui la majorité de la population nigérienne et, et, et les droits humains en, général. Mhm. Donc surtout quand il s'agit des mécanismes nationaux et les instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs aux droits humains au Niger, la population et même les acteurs clés ne savent pas ou bien ont une, méconnaissance en savoir à l'endroit de à l'endroit de ces mécanismes. Donc pour euh, essayer de relever ce défi, ReproDev euh, mène à chaque fois des campagnes de sensibilisation et de plaidoyer. À ce que, euh, par exemple, quand nous prenons l'exemple même du nouveau code pénal, parce que sans le savoir, il y a un nouveau code pénal et, qui a été donc instauré. Donc, mais le, code pénal n'a pas été voté. C'était depuis avant, avant même le, le 28 juillet que ce projet de loi est là mais ça n'a pas été donc voté. Le, Reprodev Niger a, fait des campagnes à l'endroit de ce code pénal pour que la population nigérienne puisse comprendre les enjeux et les aboutissants de ce nouveau code pénal. Hmm. Alors, euh, euh, quels sont bien évidemment euh, les indicateurs ou succès hein, pouvez-vous partager concernant l'impact des projets de ReproDev sur les droits humains au Niger Voilà. Merci beaucoup. Concernant le succès et l'impact, euh, tout à l'heure, je vous ai parlé du nouveau code pénal. Mhm. et depuis 2015, Reprodev Niger plaide la, révision du code pénal et du code de procédure pénale nigérien parce mhm. que le code pénal du Niger euh, ne répond pas aux, inspirations donc de la population nigérienne. C'est un code pénal qui date depuis l'Antiquité, depuis le temps de colon. Donc le Prodev Niger a, mené plusieurs actions de plaidoyer mhm. au niveau des, du gouvernement et au niveau des, des acteurs de la société civile. Donc comme vous le savez, donc, grâce au plaidoyer formé par les reproducteurs du ce code pénal a pu été euh, révisé, mais qui n'est pas adopté jusque-là d'abord. Ok, vous avez parlé de temps des colons, mais je pense bien que ce n'est pas l'Antiquité. Vous voulez euh, faire peut-être, vous voulez parler de là, de, je ne sais pas, de, quelle période concrètement oui, c'est-à-dire euh, quand je parle de temps de, temps de colon, c'est que c'est le, code pénal, c'est le code pénal de, la France, si je peux le dire. Okay, c'est ce qui est pris donc euh, en compte. en donc, pour le Niger. Donc ça ne répond pas aux, aux, aux, réalités socio-culturelles du Niger. Hmm, d'accord, d'accord. Continuez notre voyage avec de la bonne musique avant de revenir à vous. On va kiffer le son Il à de l'étoile de l'Aïr. Regardez, ce groupe met l'ambiance lors des mariages, baptêmes, événements politiques à soirée en plein air. Le groupe a s'est formé en 1995 et fonctionne comme un collectif familial. Et oui, Mariam, au fil des années, euh, il s'est adapté, amplifiant la guitare acoustique avec euh, un microphone transducteur, voilà, acquérant euh, des guitares électriques et éléments des batteries. Voilà, cher c'était là le titre If Ifirat, c'est ça <laughs> Mariam, c'est toi qui maîtrises la langue touareg. <laughs> Ifikrat de l'étoile de l'air. Ifikrat de l'étoile de l'Aïr. <laughs> voilà, retour au studio avec notre invité du jour, euh, Monsieur Chamsoudine. Alors, euh, Shamsoudine, dites-nous comment l'organisation assure-t-elle euh, la participation active des communautés locales dans la conception et la mise en œuvre de ces initiatives liées aux droits humains Merci beaucoup. Et s'agissant de la participation de la communauté dans la mise en œuvre de, nos activités et projets, mhm. et comme vous le savez, on ne peut pas mettre en œuvre des projets sans la participation de la communauté. Parce que c'est la, c'est grâce à la communauté mhm. que les projets sont mis en œuvre et c'est la communauté même parfois qui sont les cibles directes de nos projets. Tout à fait. Donc, euh, quand vous prenez, euh, à l'exemple, en 2019, à au Niger, a mené une activité au niveau de la région de Dosso, mhm. plus précisément dans les communes de Berni, Koigolo, Ngonga, Harkanasu et Chota. Mhm. Donc euh, ces projets-là, c'est la, communauté même qui est le bénéficiaire de ces projets. Et le PRODEV a, mis donc des, actions des AGR, donc les activités génératrices des revenus, mhm. pour que cette population, surtout au niveau de l'autonomisation des femmes, parce que la femme soit autonome, euh, autonomisée, parce que vous le savez très bien, euh, au Niger, la femme n'a pas, par exemple, un accès à la terre. Mm. Un, exemple de ces activités euh, génératrices de revenus que vous avez mis en place, peut-être voilà l'exemple des activités génératrices de revenus que nous avons mis en place, mm. c'est-à-dire les cultures maraîchères que nous avons mis à l'endroit des femmes. Ok, mm. super. Alors, Mariam, tu as une question, je pense. Justement, <laughs> face aux défis actuels, quelles sont les priorités des REPRODEV en matière de promotion des droits humains au Niger Oui, les priorités des REPRODEV en matière de promotion des droits humains, il y a plusieurs priorités. Mais tout à l'heure, je vous ai parlé du nouveau code pénal qui n'a pas été d'abord euh, voté. Donc, euh, les priorités des REPRODEV aujourd'hui, à l'heure actuelle que je vous parle, c'est le nouveau code pénal. Donc, euh, et ce nouveau code pénal, puisque vous le savez, il n'y a plus de parlement pour que le nouveau code pénal soit voté. Donc, euh, nous sommes là en train de mener des campagnes de plaidoyer au niveau des, des autorités donc, euh, actuelles pour que ce nouveau code pénal puisse être instauré, euh, par exemple, en prenant un décret présidentiel. Parce que ce nouveau code pénal, comme je vous l'ai dit, euh, répond en tout cas à nos réalités qu'il et même économiques. Donc, euh, c'est très capital pour nous à ce que ce nouveau code pénal soit voté. Donc, c'est ça, d'abord, les priorités pour les produits Niger en matière de promotion des droits humains. D'accord. Alors, comment l'organisation aborde-t-elle les questions de sensibilisation et d'éducation hein, des droits humains au sein de la population locale Oui au sein de la population locale concernant les questions de, de sensibilisation, hmm. Reprodev a, une méthode d'approche. Parce que, vous le savez, euh, quand il y a une question de sensibilisation, à chaque fois, il y a des groupes cibles. Mhm. Donc, Reprodev rapproche ces groupes cibles-là pour les sensibiliser et les... Et quels sont ces, ces groupes cibles vous pouvez nous les dire Oui, les, les groupes, les groupes tout dépend, tout dépend du, du, projet ou bien du projet les reproduire les objectifs d'abord. Mhm. Parce que quand les, c'est-à-dire par exemple quand euh, je vais vous prendre l'exemple. Euh, le reproduire Niger en 2017 mhm. donc euh, avait organisé une sensibilisation sur la consommation de stupéfiants. Donc euh, au Niger, mais ça a été organisé au niveau de la maison d'arrêt de Niamey. Donc au niveau de cette maison d'arrêt, même le au Niger a formé à former les détenus et les surveillants de, cette maison d'arrêt sur la consommation de stupéfiants et l'introduction même de stupéfiants en milieu carcéral, hmm. donc en milieu de détention. Alors, pouvez-vous partager des exemples concrets des reproducts qui ont eu un impact positif sur la protection des droits humains dans le pays Oui, Dans le pays, et je vais vous prendre l'exemple euh, d'un projet d'autonomisation juridique et donc euh, qui Niger en collaboration avec la coalition nigérienne donc euh, contre la peine de mort. Comme vous le savez, Reprodev Niger, c'est un réseau qui, dans lequel regorge d'autres organisations. Donc, Reprodev Niger, au niveau de la maison d'arrêt de Kolo et Saï, Reprodev Niger, en collaboration avec cette coalition-là, met en œuvre un projet d'autonomisation juridique et au, à l'endroit des détenus. Donc ces projets-là contribuent à ce qu'il y ait une assistance juridique aux détenus. Par exemple, quand le détenu a besoin d'une demande de liberté provisoire ou conditionnelle, donc, ou bien, en tout cas, a, besoin d'une assistance juridique reproduire mène des campagnes, de, mène des plaidoyers au niveau des, du ministère de la Justice et au niveau des parquets. Hmm. Donc, grâce à, ces, à ces projets, le du Niger a eu, a plusieurs, plusieurs succès hmm. parce que quand, quand nous, euh, à chaque fois, c'est chaque mois que les projets partent dans ces deux maisons d'arrêt-là, mmh. de sensibiliser et essayer de prendre les difficultés et aussi les détenus qui ont fait plus d'années euh, sans jugement. Donc, euh, grâce à cela, le du Niger, en tout cas, a, a eu à prendre, ou bien a eu a relevé plusieurs euh, détenus qui ont, qui ont fait des années et mm. sans jugement et qui a transmis ce nom-là au niveau des partenaires. Et les partenaires qui sont, c'est le ministère de la Justice d'abord, qui est en premier le partenaire des au Niger, mm. et aussi en avant la, la CNH, bien que la CNH n'est pas encore la CNH, la CNH a été douce, mm-hmm. mais Niger, en tout cas, c'est les deux partenaires, donc au niveau du Niger, que reproducteurs met en œuvre ces projets avec eux. D'accord. Alors, quels sont les mécanismes hein, de suivi et d'évaluation utilisés par Reprodev pour évaluer l'efficacité de ces projets liés aux, droits humains Oui. Et concernant les mécanismes pour évaluer donc euh, les projets, mm. Reprodev Niger mais donc euh, les, mécanismes de des gares qui sont gestion sur les résultats. Donc la gestion axée sur les résultats et quand Reprodev finit les projets, les projets essayent de faire le constat, qu'il mm. s'agisse sur le coût donc, du projet, les délais, est-ce que le délai a été respecté pour la mise en œuvre du projet aussi. Mm. Et après, quand le projet constate qu'il y a une défaillance, là, le projet essaye de renforcer la capacité de l'organisation et aussi des personnels même, quand, et des personnels donc, euh, secteur pour prendre des meilleures décisions et dans les projets à venir. Okay. Alors, comment l'organisation travaille-t-elle avec les autorités locales et nationales pour renforcer le respect des droits humains au Niger Oui, et tout à l'heure, je vous ai parlé que Reprodev Niger est toujours en collaboration avec les autorités locales et, nationales même. Je vous ai parlé du ministère de la Justice. Nous travaillons en parfaite collaboration avec le ministère de la Justice et s'agissant, par exemple, de missions de monitoring des lieux de détention, donc les visites que nous menons parce qu'il faut le comprendre, Reprodève Niger a, a, un point fort sur le, en matière de détention. Le Prodev Niger met en œuvre donc, euh, des monitoring des lieux de détention au Niger grâce au ministère de la Justice et grâce à la CNDH. Nous avons mené presque, dans presque les 41 maisons d'arrêt du Niger, Reprodev a mené des missions de monitoring dans ces lieux de détention pour euh, collecter et voir quelles sont les réelles difficultés qui traversent les détenus et même les personnels pénitentiaires, même de cette maison, de ces différentes maisons d'arrêt. Donc, après avoir collecté ces difficultés-là, Reprodev Niger donc transmet les rapports au niveau du ministère de la Justice pour que à son tour, parce que le ministère de la Justice et le ministère des Titels s'agissant des maisons d'arrêt, s'agissant de la Justice, donc vous voyez, donc euh, c'est pourquoi je vous ai dit, nous, en tant que on travaille en tout cas avec toutes les autorités du Niger. Ok, d'accord. Merci infiniment, euh, Monsieur Chamsoudine, d'avoir non seulement répondu présent à notre invitation, mais aussi eh, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci infiniment, tout en espérant que nous aurons eh, une autre occasion, n'est-ce pas, de vous recevoir eh, sur notre plateau pour discuter certainement d'autres sujets. Sur ce, nous vous disons merci infiniment et excellente journée à vous. Merci on prend une pause et on revient juste après, n'est-ce pas, Marianne? Et oui, c'est nous. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Nous sommes lundi, c'est nous, nous allons parler justice aujourd'hui. Exactement, Mariam, dans la rubrique euh, justice de ce lundi, euh, on évoque euh, le contrat qui lie un bailleur et son locateur. Notamment, on va parler ici de la question des réparations. À qui incombe les réparations de la maison. Point d'interrogation. Réponse avec euh, maître Hadou Mahamadou Issier de justice euh, commissaire euh, voilà priseur auprès du tribunal de grande instance de Maradi. Il est interrogé par Mohamed Maman. En la matière, le Code de bois alloyé dans ses articles 8 et suivants du droit positif nigérien. rappelle d'abord que le contrat même en tant que tel doit prévoir que les grosses réparations incombent au bailleur et les petites réparations incombent aux locataires. Lorsqu'il est question de venir porter des réparations, il revient au locataire d'informer le bailleur comme quoi qu'il y a une partie fissurée, il y a un toit gueule. Donc ces derniers, avant de venir, il avise le locataire avec la permission du preneur que ces derniers s'introduisent pour venir porter des réparations, si c'est en cas de grosses réparations. Mais quand c'est des petites réparations, c'est juste, ils portent à la connaissance de l'autre, comme quoi qu'il y a des réparations de ces ordre que le bailleur peut apprécier. Si ça vaut le coup de se faire rembourser sur le loyer, ça le tient ainsi. Sinon, ils peuvent passer outre, il euh, ils peuvent ne pas aussi réclamer quand c'est des petites réparations. Donc ça veut dire que le locataire n'a aucun droit de faire des réparations et de dire au bailleur que je ne te donne pas les frais de location parce que j'ai fait des actions. Ah non, les droits de propriété, il faut les rappeler, les dispositions de l'article 544 il demeure pour le bailleur. Hein. Le bailleur, il est le seul et unique maître de ces lieux. L'autre ne peut pas, sous prétextant qu'il est en location, engager des frais pour, n'est-ce pas, biaiser une des clauses du contrat, puisque une des clauses du contrat doit rappeler les loyers à payer. Les dispositions du Code civil, l'article 1134, qui rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu des lois à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Maître de foi, le locataire peut informer le bailleur mais que ce dernier ne se manifeste pas. Dans ce cas de figure, les juridictions sont là pour débattre il y a les matières à référer, C'est-à-dire quand vous estimez que votre partenaire n'est pas en train de réagir par rapport à une action à laquelle vous avez un intérêt, vous saisissez les juridictions compétentes. En la matière, c'est la juridiction présidentielle qu'il faut saisir en référé. Euh, beaucoup de bail, c'est pas fait euh, sur des bases de contrat. Alors là, qu'est-ce qu'il faudra faire Et ce qu'il faut rappeler que le bail, qu'il soit écrit ou verbal, il a la même valeur juridique. C'était là la rubrique hebdomadaire Justice, à chers auditeurs, et notre tour à musique avec les titres bégués de l'artiste Fenobi, accompagné par Rabia Mekano, qui est d'ailleurs l'une des présentatrices de cette émission. begeze begeze kemino hanganga fundi bejambi begase begeze kemino hanganga bidanganami bejaka bejane kemi bejani he kemi fahani beja boko boko so kwaranodin no inai biri ai gabangu do kai dole yayi kurba kurbai garin wa da bi fondiga ay la sabu kansi sibana ai te mari di foi lami di ma foi chapata ko foi lami watu ena kasımda gari kamaji irga mwakale kambe yenika ege kambe logu amala osman irga koy fari dungu goy kayan wala jirmay kayan kay zan ka taray beje ege subui ya ka kanera kadu hankanda te hina hina jinra dai fongu izan kata arega aiga fongu kazan kata ray beje ai koy karu koloz nya bokan nay ganda motu Raimundo Dowu. question d'enseigner. Dai fungu dan wal tobai tobai kara wat Zama son hon alashe galgajiya don aladunmu kowa bagida gida ya bakshi bangas kawo bai bai ba sai da mota sanne. Voilà, chers auditeurs, vous venez d'écouter le titre Bégué de l'artiste Fenobi accompagné par Rabi Meikano, l'une des présentatrices de cette émission Le Niger sur Kalango. Alors, chers auditeurs, si vous venez juste de nous rejoindre dans cette émission, eh bien, dites-vous que vous n'avez rien raté car euh, vous avez la possibilité, la possibilité de réécouter l'intégralité de cette édition sur notre site web le www.studiocalangou.org. À présent, Place à l'écho des régions, n'est-ce pas, Mariam Oui, c'est nous. Les reportages à région de séjour nous amènent dans le département de Ngimi à Difa. oui, dans la région de Difa, les femmes utilisent traditionnellement ce qu'on appelle tirogu ou Koulousou et dilke. Cette pratique a beaucoup de bienfaits et contribue au bien-être de la femme selon Fatime Mamantemagu Elle explique l'importance de Kusulu pour la femme à Toubou. Elle est interrogée par Abdoulaye Mena. ɗaya daga cikin mata kuma tubawa ko za ki iya yi mana ƙarin bayani bisa kan matsayin icen kusullu a wajen kabilar tubawa musamman ma ku mata a cikin kabilar tubawa din a mu wajen mu tubawa na farko dai icen kusullu wannan gadon mu ne muna yi mu ma muna kanana mun tashi mun ga mu suna yi kenan wannan icen gaskiya gadon mu ne kenan ba abu ne wanda za a bari ba sai dai muna ci gaba da yi har mu ga inda iyakacin shi insha To menene mahimmancin shi wannan ice na kusurlu ganin cewar akwai maza da dama wanda ke siyo wannan icen su kawo ma mata yansu? To icen nan yana da amfani da yawa. in ka ce wani irin amfani a da zamanin da kakanninmu in suna yi suna shan nono da yawa suna shan mai na shanu kuma suna cin nama da kyau saboda jikinsu ya jaru da kyau su yi amfani da wannan iccen To kamar yanzu da kin yi zancen kakanninku sukan yi amfani da nono da kuma man shanu. Kuma yanzu da nono da kuma man shanu kuke amfani ko ko dai akwai wani zamani da ya shigo kuka sauya wajen yin amfani da waɗansu abubuwa ba. Yanzu dai zamanin lalle ya sauya sosai ma. Yanzu yawancin mata suna yi a duniya yau dai zancen suna amfani da kunu suna gyara wake su ci kamar shi ice wannan kana zaman shi dai sai ka ci abu mai kyau ka hinka hau saman kursullo sosai kuma yana gyaran jikin mata shi ce wannan ana amfani da shi saboda yana da abubuwa da yawa na farko yana jara ma mace jiki shi wani al'ada na furudi da wani waye wallahi jara ice wannan yanda yake jara jikin mata furudi ko kallon shi ma ba yau mace ta haihu ta zo gida sati ana mata ruwan zahi kayan ta yi karan duka in dai tana yi wannan icen illa masha Allah in dai karan ya kare kaman sabon amarya. To kamar yanzu misali idan aka siyo ice din ya ne ne ake sarrafa shi har ya kai ga kasancewa a saman shi da mata kuke yawanci a kabila ku ta tubawa. Ice ana siyo shi tun a kasuwa a kai shi gida a nemi wanda zai yi. faskarewa duka ice mai da su kanana kanana ja dama tana da wurin da za ta yi amfani na farko rame ne ake yi sai a sa kwankwanin a ciki kwamsa icen kayan ke hau saman kursul in icen a za a jika shi icen a bar shi ya dan doki lokaci kaɗan kayan a sa cikin wuta kenan bancin kin sa cikin kwankwanin kera kanki musamman pomat mai gurgu da mai namu wanda ake abinci da shi shahin jikinki zaki ko ina da ina sannan zaki ruhu da barguna wanda ake ruhuwa wasu suna kai awa biyu wasu awa ɗaya da rabi wasu minti talatin haka dai su yi ko yau kana da wani ciwo ciwo baka da lahiya baka jin daɗin jikin ka ma in dai ka yi amfani da ice na alhamdulillah za ka ga jikin zai koma ba kaman da ba. to menene matsayin mace batuba wanda ba ta amfani da wannan ice na kusulumi kuke ɗaukan ta ku. gaskiya wanda ba ta amfani wannan icen dai son jiki gare su ba wai za mu ɗauke ta ka zama ba kuma kana ga wata ta ga tana yi sai ta ce ita mai ta tana yi kuma sai ka ga deja ba ta yi abun ne yanzu misali zaki ga artan dokar daji wanda ba a gari ba idan aka kuskure wannan ice ya zo karshe kuma ba a samu wani a madadin shi ba to kaman waɗannan mata wani yanayi suke shiga ga matan suna shiga yanayi na damuwa sosai amma yanzu masha Allah an rage an waye daga sun ga iccen ya fara ragewa su ma aika suke yin mutane masu zuwa kasuwa a sai a aika saka musu yau kun ka iske daji har in dai dajin tuba ne masha Allah sai ka iske wannan icce ana iya amfani da turaren wuta da sauransu me shi bai kai dadin wancan iccen kuma dai ana sa annatan dai ana da amfani da shi a dan kawo musu wancan zaki ga yawanci mata idan suka hau bisa kan wannan icce na kusullu bancin sun kare dan awowi kaɗan sun safka suna amfani da wani abu da ake ce mishi dilke shi kuma menene muhimmancin shi eh dilke masha Allah shi ma yana gyara jiki haƙƙin mata sosai da sosai amfanin shi in za ka yi sai ka sa format ko da mai za ka gama daga ka sha jikin naka kana gani duk shatan da yana ciki zubewa yake yanzu ya kira zaki wa sauran mata tubawa ko kuma dukkanin matan tubawa dan ganin su rike wannan al'ada wajen yin amfani da wannan ice na kusulu domin ganin sun samu gyaran jiki da kuma ingantaccen fata kiran da zan musu da lalle su bari masu yi a ci gaba da yi wanda ba shi ma a zo a yi sensibilizan su su yi saboda shi iccen nan gaskiya yana ma mutane amfani da yawa ka ga mazan ma yanzu sun tai kasuwa gaskiya abinda matar su yake so wannan inda icce ne ba masala yana jara jikin mace surtu amma yaro yana shan nono yana ji wani odar in mace bisan jikinta bai jin daɗi amma da wannan yake wasu cutuwa kanana wannan duka yaro bai kamu da su gaskiya yaro kullum yana jin kamshin daɗi a hancin shi Voilà, chers auditeurs, euh, c'était le reportage en région avec euh, Abdoulaye Meina depuis la radio d'Ileram 99 MHz de Ingingimi. Un coucou à tous nos auditeurs qui nous écoutent depuis Ingingimi. On prend une petite pause et on revient juste après. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Attaquons la passeport, n'est-ce pas Mariam Eh oui, si nous débutons ce premier numéro sportif de la semaine par les résultats de la 13e journée de Superliga du Niger. Eh bien, en clôture de cette 13e journée de la Super League, hier 28 janvier 2024, le leader du championnat, Fan, s'accroche à sa première place en s'imposant face à l'Union sportive de la gendarmerie 2 à 0. Le dauphin du championnat, l'AS Nigelec, s'est aussi imposé sur l'Olympique FC 2 à 1. Les trois équipes du bas de tableau à savoir l'AS Police de Niamey, le Zongorzo FC de Maradi et la Kokana FC d'Alit ont pris un point chacune lors de cette 13e journée. Alors, euh, quel est le classement à la fin de cette 13e euh, journée alors, l'AS Fan est en tête du championnat avec 29 points. L'AS Nigelec, 27 points, passe devant l'Union sportive de la gendarmerie avec 24 points. Dans la zone de relégation, nous avons l'AS Police, Jongorzo FC et Akokana FC. Alors Adam, après la Super League, parlons à présent du championnat des ligues nationales. À ce niveau, je vais expliquer à nos auditeurs que la Ligue nationale est le championnat qui permet l'accession en Super League. Avant la Ligue nationale est appelée championnat de deuxième division et la Super League championnat de première division. Alors ce week-end, nous avons joué la sixième journée de la Ligue nationale sur l'ensemble du pays. Dans la poule A, Dangourmou de Tawa et l'AS Université Abdoumoumouni de Niamey sont en tête avec 13 points chacune, tandis que Entente de Dosso et Wambay de Maradi mènent dans la poule B. Adam, pour terminer, parlons de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Les huitièmes de finale ont débuté ce week-end. On connaît déjà les quelques équipes qui ont décroché leur ticket pour les quarts de finale, à savoir l'Angola, le Nigeria, la Guinée-Conakry et la République démocratique du Congo, qui a éliminé d'ailleurs les pharaon de l'Égypte à l'issue des Alors, quel est le programme d'aujourd'hui À 18h, Cap Vert contre Mauritanie et à 20h, le choc entre le champion en titre, le Sénégal, contre le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Eh bien, c'est la fin de cette chronique, chers auditeurs. À demain pour un autre numéro. Merci beaucoup, Adam. C'était là la page sport. C'est nous, c'est qui la star du jour aujourd'hui Et oui, dans la rubrique euh, portrait d'aujourd'hui, nous allons vous présenter Razak Maazou. Voilà un doctorant en droit privé, l'auteur du livre La Lucorne, la Lucorne de l'étudiant en droit. Dans ce reportage qui suivra, nous allons voir dans ce portrait, voilà, nous allons voir le parcours du jeune célibataire de 35 ans. Il est au micro de Habib, Habibou, voilà, Garba. C'est après l'obtention de sa maîtrise en droit privé fondamental à l'université Abdou Moumouni de Niamey que Abdelrazak Maazou a bénéficié d'une bourse d'études pour faire son master en droit et pratique des contrats. Aujourd'hui, il est à l'école doctorale de Ouagadougou au Burkina Faso pour sa thèse en droit privé. J'interviens à l'université privée de Ouaga en tant que vacataire. Je dispense des cours de droit là-bas. Ça, c'est dans le cadre de ma formation et ça me permet aussi de joindre les deux Bon, je crois que ce n'est pas ça ne relève pas assez de l'exploit être doctorant à l'âge de 35 ans. Il y en a même qui n'ont pas atteint l'âge de 30 ans qui sont aujourd'hui docteurs. Certaines vertus qui doivent nous caractériser, voyez-vous, il faut être persévérant dans tout ce que vous faites. Selon Razak, c'est après son service civique au tribunal des grandes instances de Dosso qu'il a eu l'idée d'écrire un ouvrage pour aider ses frères étudiants en droit. Aujourd'hui, le livre Razak intitulé Lucarne des étudiants des 122 pages fait tabac dans les librairies de Niamey. Au début, je nourrissais pas une ambition pour la plume, voyez-vous. Et donc, après, je me suis rendu à l'évidence que vraiment, il va falloir que j'écrive un document, un ouvrage à l'intention des étudiants de droit. En fait, vous savez, la plupart des ouvrages qui sont les, des ouvrages de droit, notamment qui sont sur le marché aujourd'hui, vous allez voir, ce sont des ouvrages qui sont d'abord très volumineux, la plupart, et il est très difficile d'avoir un ouvrage qui traite euh, des sujets spécifiques que moi j'ai traités, et notamment euh, comment rechercher la doctrine en droit, comment trouver une phrase d'accroche, comment aimer le droit administratif, voyez-vous. Vous savez, euh, les étudiants ont des idées reçues, notamment sur certaines matières, sur, ils ont, il y a aussi certains étudiants qui sont confondus quand il s'agit de faire un choix entre droit privé, droit public, tout ça là, voyez-vous. Donc j'ai aussi parlé de ce c'est cet aspect. Ça veut dire que ça vous est arrivé Oui, ça m'est arrivé. Moi-même, quand j'étais en deuxième année, quand je m'apprêtais à faire euh, euh, la licence L3, j'étais confronté au problème de choix. Je vais faire droit public ou droit privé, voyez-vous. Je crois que presque euh, ça peut arriver à beaucoup d'étudiants, le problème de choix entre droit privé et droit public. Pour l'homme de droit et écrivain, la patience et la persévérance doivent être les credo de tout étudiant en droit. Son rêve est de voir le droit privé émerger au Niger. Habib Garba, Studio Kalangu. Voilà, chers auditeurs, c'était là le portrait de l'auteur du livre euh, La lucarne de l'étudiant en droit. Alors, euh, Mariam, nous allons continuer avec notre balade musicale et cette fois-ci on va découvrir le titre Debo de l'artiste Big Abdel. ni zaba ce tihe sun bajo wara kullo me do hidima sanai me do hidima me do hidima sanai wara kullo me do hidima sanai me do hidima me do hidima sanai garin so bai da nisa sai in hey sai injini sama da ni da ke aminiyata sai ku kan zakara na ganchi na sochi na ganchi na bichi da ci da sha sun zamo mini aici ko cikin barci na ji sunan ki sai in yi hirgita tit ki kula da ni ki amince ni halin soyayya ya sani gani na sake Amule la mule mule la ha ha mule la baby na zo ni shar

Voilà, c'était là le titre débo de l'artiste Big Abdel. Alors, Mariam, dis-moi, c'est quoi le loti du jour C'est nous, le loti d'aujourd'hui parle des naissances, car dans certaines communautés nigériennes, les femmes sont stigmatisées pour avoir donné naissance à des filles. Des stéréotypes ancrés dans l'esprit des maris qui ignorent en fait que c'est une question de génétique et que le sexe du bébé dépend d'eux. Suivons cette discussion entre femmes sur le sujet affairage, affairage, affairage, affairage. Félicitations, madame. C'est une fille que vous attendez. Hamza. Hamza. Hamza, je te parle. Hum. Excuse-moi, j'étais perdue dans mes pensées. Ah, ce n'est pas bon dans ton état. N'oublie pas que tu es enceinte. Tu dois éviter le stress. Qu'est-ce qui te tracasse autant hum. Je viens du centre de santé pour une échographie le médecin m'a annoncé que j'attends encore une fille. Allah, c'est une excellente nouvelle que tu m'annonces là. Tu n'as que des filles. Je t'envie vraiment, Masha. Si tu savais combien j'aimerais avoir une fille. Mais attends, qu'est-ce qui t'attriste alors Ton bébé est malade <laughs> si jamais j'accouche, ça sera la quatrième fille. Et mon mari s'attend à avoir un garçon. Je ne sais même pas comment le lui annoncer. Je ne comprends rien de ce que tu essaies de me faire comprendre. <laughs> Mon mari m'a prévenu que si j'accouche d'une fille, cette fois-ci encore, il va prendre une seconde épouse. Pour cela, je consommais toutes les plantes que ma mère m'a apportées et respecter le régime alimentaire que ma cousine m'a conseillé pour augmenter les chances d'avoir un garçon. Hey, mais tu veux vous tuer ou quoi <laughs> Calme-toi. Abba, arrête de pleurer, s'il te plaît. Hein Cela peut avoir des effets néfastes sur ta grossesse. Mais sache que c'est juste un prétexte que ton mari cherche pour se marier. Comment ça, un prétexte Oui, de la pure génétique. Il faut que tu comprennes que c'est l'homme qui détermine ce que porte la femme, car c'est lui qui donne le chromosome qui détermine le sexe du futur bébé. Donc ne te stresse pas pour ce genre de choses. S'il faut condamner quelqu'un, c'est plutôt lui. Ah bon, ma chérie C'est scientifiquement prouvé. De toute façon, un enfant, garçon ou fille, tu ne sais pas c'est lui qui fera ta fierté. Je vais en parler avec ton mari. C'est aussi son rôle en tant qu'époux de te préserver surtout par rapport aux préjugés sur les naissances. Tu as absolument raison. Nous ignorons tout cela. Tu ne sais pas à quel point notre désir d'avoir un garçon a compliqué la relation entre mon époux et moi ces dernières semaines. Fille ou garçon, j'aimerais nos enfants d'un amour inconditionnel. C'est cela le rôle des parents. <laughs> Alors souris un peu. Ça va aller. Inch'Allah. Merci les filles pour vos conseils. Passons à présent à la rubrique culture linguistique en français et en anglais avec Samira Omaru et le mot du jour est tourisme. Chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans votre émission culture linguistique. Hello ladies and gentlemen, welcome to your favorite show, culture linguistique. La saison touristique a débuté la semaine dernière et peut se poursuivre jusqu'au mois de mars. Guess what? Nous allons parler du mot tourisme. Que veut dire tourisme en anglais le mot tourisme se dit en anglais tourism. That is the movement of people from the usual place of residence to another place with intention to discover, enjoy and return back home. C'est le déplacement des personnes de leur lieu de résidence habituel dans le but de découvrir, de profiter et de retourner chez eux. Prenons un exemple. Where is the tourist Information Center, ou est le centre d'information touristique. The new airport will facilitate the tourism development, qui signifie le nouvel aéroport facilitera le développement du tourisme. Un dernier exemple. The city is finally implementing its tourism potential. That means la ville réalise enfin son potentiel touristique. Exploring the world provides a break from daily life routine. It can make you happy and more productive. That allow you to fall in love with other cultures. Chers auditeurs auditrices, nous vous remercions de nous avoir suivis. Ladies and gentlemen, that's all for today. It was a pleasure to being with you. Join us next time, same time, same radio with Studio Kalangu. Thank you, Samira. Merci. À bientôt. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message au 82 89 89 64. Justement, sinon, il est temps pour nous d'écouter les messages envoyés de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. دكرو هي جريت را دقا سقيمه دقاس وتل را دقا نيجر دقا ساسلا دقا دكرو دا نو مسرا دكا لنغو را دكا لنغو تموستر ادو تدان تاكيدي سلا نار كول وي غندا مدال نسي سلوي را دو كلنغو مزي كول نسي سلواس نسالي شو سدا نسلا وندان تاكو فلا سرا دكا لنغو تار توراك حق دك تزمل ارتي غندا مدال ارتو تملا را دي انت دت سلارن نكو ول را دو ساسلا دقا دكرو دا نو مسرا دكا لنغو را دكا لنغو مرا انت يسلن كول نغندا مدال دين غاترا ma ira agala kula tan tasra da radio kalangu da radio kalangu to la un muzarnes muzarnes aran shorna lo qad ta foi da da koro falasi la salan ne sun ciri turga bahu a wanda fanara radio kalangu sunana Musa Idi Muhammadu mai sauraron program in studio kalangu a nan garin maini sorwa e, lallai shiri na studio kalangu ya yi tasiri sosai a rayuwarmu ganin program ne wanda ya shahi fannoni na zamantakewa na yau da gobe. E, kuma bisa wannan program ɗinsu mun karu da abubuwa da yawa e, zuwa ga labaran da suke watsa lokacin da ake yabu a lokaci za a ji labarin shi e, kuma gaskiya suna da tsari da yawa ya zamanto akwai sauƙi ga sauraren program ɗinsu musamman ma irin hulɗan da suka hulla da radiyoyi na cikin ƙananan hukumomi da kuma sabbin fasahohin zamani zuwa ga irin application insu wanda ake samu a bisa wayan hannu e, kuma akwai group ma na whatsapp wanda suka bude wanda mutane sun yi a lambobinsu wanda suna aiko musu irin labarun da suke yi to kenan irin masu sauraron nan a samo musu irin wani program nasu na musamman kaman matasa wanda za su yi kaman su faɗi ra'ayinsu a wasu ɗan lokuta muna gani ana tsari da yawa e amma abun sai gani bai iso nan Il est temps, il est l'heure, on tourne pour 2024. Bonne année à toutes et à tous. Allah fitna rodna watay. Barka modon e wonta e golitane. Jama'a barkamu da sabuwar shekara toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2024.